IRMPost.com, chaque jour qui passe dans ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Idrissa Seck, révèle une fissure profonde dans la nation sénégalaise. Au fil de cette polémique nauséabonde aux accents de règlement de comptes politiques et des rivalités de chapelles religieuses, surgissent au grand jour les fragilités de notre vivre en commun, sans cesse refoulées depuis plus d'un siècle. Au bout de sa seconde sortie au vitriol contre le leader des Réoumi, Serine Bey Mansour, Khalif général des Tidjan, a laissé s'échapper le vrai motif de son courroux, la proclamation de sa sortie de la confrérie de Cheikh Ahmed Tidjan Sherif par celui qui fut perçu il y a guère longtemps comme en étant membre la mâchoire serrée, la mine fermée, le guide des Tidjan au Sénégal a dit à Idrissa Sec, bon débarras avec ce commentaire assassin. ku yàlla génne ci boppam seytaane Cette phrase a heurté bien des disciples de la confrérie mouride à laquelle Idi, comme le surnomme les Sénégalais, a proclamé désormais appartenir, de sorte que la polémique s'est subitement structurée autour d'une serrure nette. Il suffit d'entendre l'intervenant pour savoir à quelle confrérie il appartient. Les réseaux sociaux se sont enflammés avec des échanges entre Mouride et Tidiane d'une rare violence. Au même moment, les étudiants qui ont repris le pouvoir à la faveur du décès, le 15 mai 2018, de leurs camarades Faloussen, tués lors de la répression d'une émeute à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, se succéder, faisant dans la surenchère chaque jour davantage au bureau du président de la République, qui a fait le choix dangereux de faire sauter tous les paravents entre eux et lui. Dans un contexte où l'État se saigne à blanc pour mobiliser les 50 milliards engloutis annuellement par le paiement de leurs bourses, ils réclament leur augmentation et une réduction des prix des tickets de restaurants. non sans exiger, après avoir obtenu le départ du recteur de l'UGB et du directeur du CROSS, les démissions de ministres importants du gouvernement, la République des étudiants en somme. Cette République est tombée dans le grotesque. Avec cette sortie fort malheureuse de Macky Sall qui, présentant son ouvrage, a déclaré que la France est l'ami du Sénégal, parce que, sous la colonisation, les tirailleurs sénégalais bénéficiaient de desserts, à la différence des autres Africains, alors que l'on pouvait légitimement s'attendre à un mémorial en souvenir de nos soldats tués par la France à Tiaroy en 1944. Voilà qu'une farce de mauvais goût vient aggraver une blessure nationale déjà béante. Les équilibres de ces pays pays de tous bords. Le Sénégal s'embrase peu à peu. Arrêtez ce feu. Le pays va brûler.